remercier le directeur général de l'ASPT et les autres directeurs de la parfaite organisation également de notre stand. Et je voudrais également profiter de l'occasion de dire aux Sénégalais ou aux Sénégalaises, en tout cas ceux ou celles d'entre eux qui n'ont pas encore fait le déplacement ici à la foire, de venir découvrir les potentialités touristiques du Sénégal. Moi, j'ai l'habitude de parler d'énormité euh, touristique du Sénégal, parce que quand vous entrez dans ce centre, vous avez à peu près une idée de tout ce qui se fait ou de tout ce qui peut se faire au niveau du, Sénégal. Il ne faut pas rater cette année cette phase qui est une phase de relance, parce que nous tous, en tout cas ceux d'entre nous qui fréquentent les hôtels, avons constaté qu'il est extrêmement difficile maintenant de faire une réservation. Même le ministère du Tourisme, a une certaine époque, il y a eu ou deux mois, a eu des difficultés pour avoir donc, des lits dans un hôtel de Dakar ou dans un hôtel de, la Petite Côte. On, on s'est déplacé finalement à, à pour pouvoir faire nos travaux. Donc pour les Sénégalais, nous les invitons à venir découvrir et surtout à mettre à profit les mois à venir. En tout cas, le, ministère du Tourisme est très disposé à faire les accompagnements nécessaires en rapport avec euh, la SPT, avec la SAPO, pour permettre aux Sénégalais, en tout cas, de profiter de leur propre pays. C'est en tout cas sur ces termes-là que je voulais terminer, si le directeur général a des mots à placer. Mais en tout cas, je remercie tout le monde et vous donne euh, peut-être, euh, Inch'Allah, rendez-vous l'année prochaine. Euh, directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion touristique. quels sont Sénégal Après une, séquence difficile de l'une des crises les plus graves de l'histoire de ce secteur, le tourisme, euh, que vous connaissez tous, la crise de la Covid-19. Le secteur du tourisme, comme l'a précisé l'autorité, M. le secrétaire général M. Ndiaye, reprend euh, du poil de la bête. Euh, et en particulier à partir de ses fondements au niveau du tourisme interne. Si nous avons pu encadrer ce secteur, c'est grâce à la vision et aux orientations de son Excellence, M. le Président de la République, qui a d'abord accompagné le secteur dans la période de crise. Ce n'est pas moins de 77 milliards qui ont été consacrés pour accompagner le secteur dans son ensemble et lui permettre de traverser l'une des crises les plus difficiles de l'histoire du secteur du tourisme. Mais les orientations de son Excellence le Président de la République allaient aussi dans le sens d'appuyer et de développer le tourisme interne. Et c'est tout le sens de l'initiative qui a été validée par les autorités de tutelle et par le secteur privé qui s'appelle donc l'initiative Tamou Sénégal. Tamou Sénégal a été un vaste euh, mouvement, une vaste initiative de communication multisectorielle, multi-support, euh, multicanal, qui a permis de toucher le cœur des Sénégalais quant à la nécessité de porter le regard du voyage, le regard du tourisme sur le Sénégal et sur ses attraits internes partout à l'échelle du territoire. Il est donc heureux de constater, au bout de deux ans et demi, que le secteur privé lui-même affirme que cette initiative politique fondée sur la vision du chef de l'État a permis de faire en sorte que les Sénégalais qui voyagent vers l'étranger consacrent leur déplacement et leur consommation touristique à l'intérieur du Sénégal. Ça s'est senti directement au plan économique. Je parle en présence du secteur privé dans les chiffres d'affaires des hôteliers et de ceux qui travaillent dans le secteur à l'intérieur du Sénégal. Il faut donc poursuivre cette dynamique. L'opportunité de la foire internationale de Dakar étant un lieu de rencontre où viennent les Sénégalais, mais aussi des non-Sénégalais qui viennent découvrir le savoir-faire du pays, était une bonne opportunité pour que nous fassions la promotion de la destination Sénégal auprès des Sénégalais, mais aussi auprès des acteurs de la sous-région et du monde. Voilà pourquoi nous sommes très contents d'être là de montrer les destinations du Sénégal, les destinations de Dakar, aux visiteurs qui viennent de la sous-région, aux visiteurs qui viennent de partout dans le monde, et notamment féliciter également le directeur général de la, de la FAR pour ce travail. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir de décembre 2022, euh, le Sénégal a dépassé du point de vue du trafic aérien le niveau de trafic où on était en 2019 avant la Covid. Ça veut dire que la relance est effective. Alors, on était à 1 500 000 arrivés à l'aéroport. Si on dit qu'on l'a dépassé, ça veut dire qu'on sera au-delà de 1 500 000 touristes. Voilà, c'était ça la, déclaration. Merci. Wow, je suis di aussi euh, ministre du tourisme et des loisirs Mambay Mbaye Niang li tax nekku fi yu bari xam ngeen ko dafa nek ci euh, rencontre bi am Tambacounda le conseil des ministres suivi d'autres activités Lolo tax ma ñew fi donc di wax ci ci touram. di féliciter directeur général CICES pour organisation bu rafet bi mu def ci foiru ren bi 30e édition di remercier directeur général ak ASPT ak yeneen directeur yi ci ni ñu organiser stand ba mu visible ba ku fi dugg am loo fi gis di wax aussi sénégalais yi en tout cas pour ñu nga xam ne ñëwaguñ fi ñu profité ci ñëw xool foire bi mais surtout ñu ñëw ci standu ministère du tourisme buñ ñëwee danañ gis ay potentialité yu bëri ay mbir yu bëri yoo xam ni am na ci réew mi mbir yooyu sax dañ koy wax ay euh, potentialité touristique mais man souvent bu may wax dama naan ay énormité touristique parce que yii saa sax dara génn tele wala nga gis dara ci photo nit ñi dañuy defee ni beneen réew la fekk loolu mu ngi seen réew te bi ñu wa bu ñu weesoo ci feebar bi Covid bi tourisme bi senegale yi def ñoom ci seen biir réew moo ñu permettre ñu egg si fii tey maa ngi wax léegi ci nasaraat ni léegi da ngay jóg pour bëgg a dem hôtel Dakar wala wala Petite Côte boo bëggee am réservation doo ko am ñun ñi nekk ministère du tourisme am na weer ci ginnaaw am na atelier séminaire buñ bëggoon a def ñu demee dakaar dem euh, Petite Côte amuñu fa place Thiès lañ mujj dem pour liggéey foofu loolu rek day wane ni tourisme bi mi ngi relancé wu euh, nit ñi ñi ngi dox seen biir réew may wax nak sénégalais ñu pro ci jours yi di ñëw ci weer yi yu ñëw ci vacances yi ñëw ñu jéma xam ñëw fu melni fi dem fenen pour xam réew mi man fa dem sokkali seen réew li ci des nak moy le ministère du tourisme à travers toutes ses structures ASPT SAPCO les administrations les directions nous disponible lañ pour accompagner nit ñi accompagner les acteurs pour que tourisme gën jëm ci kanam. Des politiques incitatives vont être initiées par l'autorité de tutelle et sont en train d'être faits. Et de plus en plus, on va améliorer le rapport qualité-prix dans la fréquentation des hôtels notamment. Mais ce qu'il faut saluer, c'est l'exceptionnelle accessibilité des destinations du Sénégal. Grâce aux réalisations en termes d'infrastructures, aller sur la Petite Côte est facile, aller dans le Sin Saloum est facile, aller sur Kédougou est facile, aller dans le Grand Nord est facile parce qu'il y a des routes, des autoroutes

bërëb yu ñu mën visiter ci wàllu bërëbu noppalukaay yi nekk ci Sénégal Nous faisons ko ci euh, bëtu Sénégalais yi waaye it fësal ko <clears throat> ci ñi nga xam ne mooy ñiy ci région bi ñëw fii ci Sénégal ci foire nous avons l'occasion de occasion ñu visiter euh, Dakar mais visiter aussi yenn sites touristiques qui nekk autour de Dakar Nous euh, donnons nag occasion boo xam ne ci ndigalu sunu ministre Mame Mbaye ak orientation vision président de la République ko ñu wax nag tey ci tourisme inter wax ci tourisme interne nag mooy ñu xool naka la def ba gën a fësal euh, bërëbu noppalukaay yi ak euh, site touristique yi ne ci réew mi ci bëtu sénégalais yi. ñu jëloon benn initiative ñaari at ci ginnaaw booba la fi mbas mi di doog a tudde ko nag taamu Sénégal ñu defoon ko ci ndigalu président la république mu ne woon ñu gannaaw bu mu jàppalee secteur bi dugal ci lu toll ci juróom-ñaar fukk.

sunu ministre nak ci euh sunu ministre Mame Mbaye Niang ci ndigalou président de la république jox ñu tegtal ñu gëna euh, jabal fas wi ci walu tamu Sénégal ci yoon waw gën ci ñaax nit ñi dolliwaat benen campagne waxtane ko ak acteur yi ba nga xamné li lii ñu ne gis nañ ne mi ngi dox ñu fexé ba labaliko mu gëna jëm kanam. lool mo doon solo waxtaan wi tay ñuy gëreum ñi fi tew yépp di jéma woné fi tamit ci foire bi lépp li nga xamné moy attrait touristique réew mi.